Ambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République, et également voilà, le président Bassir Diomaye Djahar Faye, le président Diomaye Faye qui raccompagne le président Macky Sall. Voilà, le président Macky Sall qui part et qui va partir avec le sentiment du devoir accompli, qui salue euh, les travailleurs de la présidence de la République, la garde euh, rouge présidentielle. Voilà. De très belles images entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président Macky Sall. Nous, vous laissons vivre les honneurs militaires. Voilà la dernière accolade la colère entre le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye. Et cette chaleureuse poignée de main. Hein. poignée de main entre le chef de l'État et le chef de l'État sortant, le président Macky Sall. Le président Macky Sall qui s'en va maintenant. Et voilà, nous sommes maintenant avec le président de la République, son Excellence Basiru Diomaye Faye, cinquième président. Et qui va venir occuper les lieux. Et qui va venir occuper les lieux. C'est ça, le, soir, euh, c'est ça aussi la vie. C'est ça le déroulement. un cérémonial, tout un rituel avec ses honneurs militaires qui lui sont rendus dès le début. Nous saluons en tout cas euh, l'équipe de la présidence de la République qui nous a beaucoup aidé ce matin, Omar Nying qui est là depuis ce matin et qui nous a beaucoup aidé euh, avec sa générosité légendaire également, euh, toute l'équipe présidentielle. Le président Macky Sall voyez, donc est en train de partir et va maintenant, il fait la revue des troupes, dernière revue des troupes. une belle investiture ce matin. Euh, d'abord déjà au centre des expositions de Diamniadio, ensuite ici avec la réception du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est maintenant le cinquième président de la République du Sénégal. Le président Macky Sall est parti euh, et qui a euh, tous les remerciements et toutes les félicitations du peuple sénégalais euh, pour ces 12 années de magistère euh, qui lui ont permis de réaliser beaucoup de choses à la tête du Sénégal sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. beaucoup de choses ont été faites par le président Macky l'hydraulique, la santé, l'économie, le chantier. ce sont également d'autres chantiers immenses du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui va mettre en œuvre son programme, lui aussi, qui va, Khalil le disait tout à l'heure, continuer les chantiers, continuer l'émergence économique du Sénégal avec des réformes. Bien entendu, il y aura des réformes. Certainement, il y aura des réformes. Il y a même le président Macky Sall, quand il était là, il était dans ses réformes. Et le président euh, de la République, son Excellence Bassir Diomaye Faye, va faire des réformes également. réew mi tey jii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi toog ne dégg toog xaar ba président njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne tey jii moom la fi wuute ni ki bés ni ki tey daal di yeeweeku toog itam noonu la ñuy gungee gan gan du la wan ginnaaw rek nga wan ko ginnaaw waaye da ngay xaar loolu sax nag tubaab yi wane nañ ci mandarga yu kawe kawe kawe ca nañuy sargal ak nañuy warmaale seen gan xaar ba mu dem xaar ba nga gis ne otoom génn na fii yëpp ngay doog a itam daal di wàññeeku loolu mooy taarix gis nga tey ji président Macky Sall eh, ci bir Land Cruiser bi euh, mu ngi dem nak fi nga xamné ni xamna né naa moy xëy na mooy euh, euh, li nga xamné ne nii moo doon Sénégal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nak mi ngi nii ak cortège Diomaye Faye avec le détachement de la garde présidentielle merci monsieur le président de la République accompagné également de tous ses collaborateurs voici le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye qui se trouve qui se dirige maintenant au salon musique où il va euh, euh, certainement recevoir certains de ses collaborateurs. Voilà, il est installé le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Bonjour également au grand chancelier, le général Maïseignan, que nous saluons, qui fait un travail remarquable également. On l'a vu décorer euh, beaucoup de noms euh, que travailleurs à la RTS. Voilà, maintenant, vous allez, vous voyez maintenant le président, le nouveau président de la République du Sénégal, avec le collier du grand maître, collier doré, un or massif avec euh, l'écharpe ou la cravate, également avec la rosette, tous ces attributs maintenant euh, de fonction présidentielle euh, qu'il a. Et maintenant, c'est lui le maître des lieux, c'est le nouveau maître des lieux. La clé lui a été transmise par le président sortant Macky Sall. Maintenant, nous disons en tout cas bienvenue ici au Palais de la République au nouveau président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye Khali, c'est que euh, c'est ça la République. Elle est très belle. Cette image est très belle. Ces images sont très belles, même je disais, j'allais dire depuis ce matin. mais elles le sont encore plus ce matin avec euh, la réception ici du nouveau président de la République par le président Macky Sall. Voilà, en tout cas,

ndax noonu la àdduna bindoo nit ki itam euh, bu fekkente ne ne da nga koo yéene ndam euh, la nga xam muy néew ak a bari euh, ci sa xam-xam da nga ko koy laabire ni ñu ko gisee nag ni ñuy diisoo ni rek nga xam ne wax dëgg yàlla am na lu dox seen biir ci loo xam ne itam xeetu warmaalente la ak xeetu loo xam ne itam xeetu cofeel la ak xeetu cër bu ñuy delloonte ndax lii doon na loo xam ne nii taarix da koy bind histoire da koy bind sen euh, nuyonté yi ak sargalanté bi da moom nag président conseil constitutionnel euh, ñom sen tour itam ak sen ab liggéey wax dëgg yàlla euh, ñepp bokk nañ wax ne neen gàcce ngalaama ndax kat amna fuñu fu ñu toll woon foo xam ji ñom bañ dugalee sen loxo nak wane itam sen sañ-sañ ak sen dara ji bi leen dénk tañ war ko jëfé té sen tay suñu borom rek tax ñom jëfé nañ ko ba tay li mu jural ñu li kon nak ñom itam dañ leen di dañ leen di delloo njëkk den wax gàcce ngalaama voilà donc le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, voilà, qui est là tout à l'heure. Oui, image gris voilà, ce sont les cris. bi président Macky Sall Macky Sall est en train de partir. ñi ñëw itam ñëw <laughs> ndeysaan di ànd ak moom di ko gunge di ko da nga itam tàcc yi ak li nga xam ne itam moom moo doon itam la xew foofee euh, ñi ngi koy dégg noonu loolu yëpp doon loo xam ne nii taarix moo koy wane ak histoire. voilà le président du conseil constitutionnel voilà qui sont euh, le général Maïseignan, euh, le, général de, l'ordre national du Lyon, qui a été voilà, qui salue et qui rend les honneurs et le respect au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Voilà, euh, le général Seignan également, mes respects, monsieur le général, qui a été également au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire également, qui a une carrière très bien remplie. Et là, on voit le président Macky Sall est en train de partir, accompagné par cette foule immense et nombreuse qui s'est massée très tôt devant les grilles du palais de la République Rally. a ah, mbooloo maa ngi noonu lii nag mooy àdduna ndax kat fukki at ak ñaar ku ñu wóolu itam dénk la li ñu la dénk nga doxale ko ni nga ko doxale bu ñu demee ba si cappaandaw ji itam day yell itam ñu ñëw sargal la jaajëfal la ki nga xam ne ni itam moom la ñu am yaakaar ci moom am kóoluti ci moom ci amin woo xam ne itam wo rafet la woo xam ne itam wo taarix eh, daanaka di bind la ci na nga xam ne itam noonee la taaroo kon itam moom itam dañ koy ñaan le nouveau locataire du palais de la République qui est officiellement installé euh, dans sa nouvelle demeure le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui, à qui le président sortant Macky Sall a remis officiellement, on l'a vu, hein, les clés de ce palais de la République. Une journée historique, Mama Moussagnon. Wa yaram dawna ah, buñu mënon jot alaaji Mansour Mbaye xamna naa ne ni <laughs> yaram dawna na Mansour suñu papa ju bax jooju yalla nako fi yalla bayilu yaga yaga ndax euh, ci